Nous avons fait une déclaration par rapport à la fermeture de la bien sûr, la compagnie minière Rakuta. Et mm, par rapport à, donc euh, à l'abandon, <laughs> j'allais dire, comme a dit le Premier ministre euh, malien, l'abandon de Réva en plein vol qui nous a, qui abandonnés. Et mm, donc, je veux dire, dans les réaménagements du site, tota, ils veulent totalement nous abandonner, comme en tout cas. Euh, euh, ils ont fini, euh, j'allais dire, la production. C'est-à-dire, c'est l'aménagement du site, il est sur papier, mais ce n'est pas, en tout cas, un truc dont Areva ou Orano a l'intention de pratiquer. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui, nous me font extrêmement mal. mal pardon. C'est le fait d'enterrer les engins. D'abord, la première des choses qu'ils ont fait, c'est d'enterrer les engins au fond de la mine et c'est des engins qui, ont des valeurs de milliards. Et cela, à notre point de vue, n'est pas acceptable. Nous ne voyons pas pourquoi ils ont donc enterré ces engins-là. Et puis, en plus, ils ont profité d'une période, à notre point de vue, la période euh, des élections pour euh, donc fermer la mine et la hâte. Et c'est comme ça qu'ils ont fermé les engins, qu'ils ont fermé beaucoup d'autres choses. Pourquoi je parle d'abandon Parce qu'aujourd'hui, la carrière, la mine, elle a été, si vous voulez, fermée. Avec tous ces engins, les huiles et bien sûr la radiation. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des risques de contamination, euh, de la contamination des, nappes avec les huiles et bien sûr euh, avec la radiation aussi ça, au Rano, n'a pris aucune mesure pour en tout cas essayer de faire un travail digne. Et ce débordement, pour notre, euh, nous, à notre point de vue, peut même monter jusqu'à la surface. D'ailleurs, il y a des bouches d'aération qui ont été bouchées, etc. Il y a une bonne centaine, sinon plus. Et parmi ces centaines, donc, euh, il y en a déjà qui se sont effondrés. Les dômes, les qu'ils ont, qu mis en, en haut s'effondraient au fond de la mine. Donc, un jour, on va trouver au fond de la mine sans les prévoir parce qu'on va marcher là-dessus, etc. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables Et puis en plus, d'abord, non seulement de l'exploitation de l'uranium, mais à ce qu'on appelle les désastres économiques et ces désastres euh, euh, environnementaux. Et là, il y a une partie des travailleurs qui sont partis, des sous-traitants, sans aucun, en tout cas sans aucune prime. Et celle-là n'est pas acceptable. Et puis quoi encore Il y a plein de choses, de promesses qu'ils ont faites, euh, si vous voulez, aux maraîchers, qui ne sont pas tenues aussi. Et puis, il y a des promesses qu'ils ont fait, des projets qui est devenu d'ailleurs par la suite euh, une escroquerie. Donc, nous avons dénoncé cela à son temps parce qu'ils ont promis des projets euh, à la population d'Arlit, du Ferroin et du Gouverne. Et puis, bon, à la fin, il n'y a absolument rien. N'est-ce pas et euh, vraiment, il y a énormément de choses. Et puis, euh, les ateliers qui doivent se tenir euh, donc, en avril 2019 se tiennent maintenant. Et c'est la presse s'est tenue du 31 septembre, du 31 août au 31 au 4 septembre. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas sérieuses à notre côté. Alors, concernant le démantèlement, dans un premier temps, ils ont promis aux entrepreneurs nigériens de s'organiser en groupement pour les confier ces marchés-là. Et aujourd'hui, ils refusent totalement tout ce qui est groupement. Et d'ailleurs, au détriment de ces entreprises nigériennes, ils font venir d'autres entreprises qui vont, euh, euh, qui, vont faire du travail. Donc, les entreprises nigériennes à qui la commune a demandé de s'organiser en groupe aujourd'hui sont des petits spectateurs, tout simplement, quoi. Et ça aussi, c'est pas acceptable. Et Nous avons dénoncé cela. Et quelles sont ces entreprises qui ont été adjugées ouais. On nous a dit que c'est des entreprises françaises. Je ne suis pas spécialiste les entreprises, vraiment, je ne sais pas quoi. Mais je sais qu'il y a des entreprises euh, françaises. Et puis bon, il y a certaines entreprises où je suis d'accord. Par exemple, il faut des spécialistes. Quand on parle, quand on va parler de sarcophage d'utérus, là vraiment il faut des spécialistes. Mais tout de même ce que Cominac a prévu, c'est-à-dire c'est 2 des mètres, Allô mètres d'argile, c'est de n'importe quoi. Ça ne va pas tenir. Donc les 2 mètres qu'ils proposent de mettre, ça ne vont pas tenir. À l'air libre, même à l'air libre, ils ne vont pas tenir euh, deux mois. Et en plus, euh, comment dirais-je, s'il y a de la pluie à 30 mm, ça va partir. Donc vraiment, c'est de n'importe quoi. Maintenant, nous avons dit aussi que les Japonais qui sont actionnaires à Cominac, quand ils sont partis, ils ont payé leur part, qui est aujourd'hui à peu près de 30 milliards. Ils ont payé. Il y a aussi, donc, euh, comment dirais-je, la vente de l'uranium mis de côté entre Soumaïr et Cominac pour les réaménagements du site, qui a été vendue, selon nos informations, à 14 milliards. Donc, Arriva Orano n'a pas l'intention de mettre un seul franc dans cette affaire-là. Donc, pour eux, il faut vendre la ferraille, il faut vendre les minéraux, parce qu'ils ont vendu aussi euh, des minéraux à faible teneur, là, à, comment à Soumaïr, euh, d'une valeur de 1,3 milliard selon nos informations, c'est à vérifier. Et puis, donc, il y a des, les, pièces, euh, je veux dire, les pièces de stock qui n'ont pas été utilisées, qu'ils vont vendre plus la ferraille. C'est ça qu'Orano a l'intention de, de, pour payer, j'allais dire, euh, bien sûr, donc sa coûte part C'est pour dire qu'Orano n'a pas envie de mettre un seul franc là-dedans. C'est pas sérieux.